le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du du studio Il est 18h passé de 15 minutes dans le studio Kalangou. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou, votre émission qui apporte des réponses aux questions que vous vous posez quotidiennement. Au micro, Nefis Adam Sirfo. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani 100 FM. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires de l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlita, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Minisorwa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï notre page Facebook est Studio Kalangu. Vous pouvez aussi visiter notre site internet sur www.studiokalangu.org. Le forum de ce soir est intitulé L'importance des taxes au Niger. Une taxe est un prélèvement financier obligatoire prélevé par une administration en échange d'un service donné. La taxe diffère de l'impôt qui est destiné à compenser les dépenses publiques de l'État. Elle diffère aussi de la redevance qui s'applique quand le montant perçu est supérieur à la moitié de la prestation rendue. Les recettes perçues au travers d'une taxe peuvent être affectées directement à une cause spécifique cela, elle se distingue de l'impôt dont les recettes sont sous la règle de non-affectation. Cependant, il existe différentes taxes. Alors, comment les spécialistes de la question définissent la taxe et quelles sont les différentes taxes qu'on prélève ici au Niger Comment payer et qui a l'obligation de payer une taxe Quel est le délai pour la payer À quoi sert la taxe Quelle est son importance dans le budget national Quelle différence entre une taxe, une impôt et une redevance comment le prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, est perçu chez les commerçants. Autant de questions. Et pour en débattre, nous avons dans ce studio M. Ibrahim Abdoulaye. Il est le directeur général adjoint de la Direction générale des impôts. Bonsoir, Monsieur le DGA. Bonsoir. Nous avons également M. Moussoulmi Malansita, président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de M. Chebou Chambiano, président du syndicat des commerçants importateurs et grossistes du Niger. Merci d'être venu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous donnons d'abord la parole à M. Ibrahim Abdoulaye, le directeur général adjoint de la DGI, pour nous dire ce que c'est que la taxe. M. le DGA, dites-nous qu'est-ce que c'est que la taxe et quelles sont les différentes euh, taxes qui existent. Merci, madame. Donc, euh, pour commencer, effectivement, la Direction générale des impôts effectivement, s'occupe du, recouvrement, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des impôts et taxes élevé au niveau de l'État. Mhm. Voilà. Donc la taxe, elle, elle répond à quelques nuances près à la même définition que l'impôt. D'abord, c'est d'abord l'impôt. C'est l'impôt qui est un prélèvement pécuniaire, c'est-à-dire par une espèce effectuée par voie d'autorité, à titre définitif, sans contrepartie. Sans contrepartie. Sans contrepartie, c'est-à-dire sans que quand vous payez un impôt, vous attendez à ce que l'État vous donne quelque chose à la place. Mhm. Il n'y a pas de contrepartie, ça va directement au budget de l'État le budget, comme ça, tout est fongible dans le budget de l'État. Voilà. Donc il n'y a pas de contrepartie immédiate. La contrepartie, vous allez la voir quand l'État va investir dans les soins de santé, au niveau de l'école, au niveau des routes, au niveau de certains investissements. C'est ça en fait la contrepartie de l'impôt que vous payez. Vous avez les écoles, vous avez la santé, vous avez la défense. Tout ça, c'est avec les taxes qu'on les paye. Donc c'est prélevé sur les personnes physiques, donc notamment les citoyens, ou les personnes morales, qui sont des sociétés ou des entreprises, en tenant compte des facultés contributives de chacun en vue de la couverture des charges publiques. Oui, expliquez-nous un peu. c'est-à-dire que là, l'impôt est assis pour chaque contribuable selon sa capacité à payer. Hmm. Voilà, c'est-à-dire quand vous voulez faire un impôt, c'est par rapport à vos revenus ou bien à vos biens que vous possédez, hmm. on va vous calculer un impôt. Donc chacun, par rapport à ce qu'il détient, il doit payer un impôt à l'État. C'est ça qui sert effectivement de ressource à l'État. Chaque citoyen doit participer à la couverture des charges publiques. L'État a cette couverture. C'est l'État qui doit s'assurer effectivement de tous les investissements. Et le moyen de faire les investissements, c'est grâce aux impôts. Il faut que chaque citoyen paye, ses, impôts. Voilà. Ok, je reviendrai vers vous, monsieur le DGA. Monsieur Moussoumi, vous êtes une association qui œuvre pour le civisme au Niger. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question des taxes Merci euh, Kalangou par rapport pour euh, cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer quand même euh, sur un sujet d'importance capitale qui est la problématique des impôts et taxes et spécifiquement aussi des taxes. Bon, je pense que comme vous l'avez eu à le dire dans le cadre introductif. Vous avez essayé déjà de faire euh, une certaine nuance entre euh, les taxes, mm. les impôts, les redevances en termes de, catégorisation. Mm. Mais euh, de manière générale, dans tous les cas, on peut les mettre dans le même paquet de l'impôt de façon générale. Mm. Ce qui est sûr, il faut comprendre que leur importance, c'est du fait que dans une vie en communauté, chaque individu pris isolement en lui seul ne peut satisfaire à l'ensemble de ses besoins vitaux. Vous comprenez bien. Mhm. Et il faut trouver un mécanisme par lequel la collectivité, donc la communauté, peut résoudre les problèmes qui peuvent être spécifiques mais d'ordre général. Tout à l'heure, euh, le DGI a parlé aujourd'hui de l'école, de la santé, de la défense, et, d'autres aussi, par exemple, l'environnement, l'assainissement de l'environnement, le cadre de vie aussi dans les hommes, dans la communauté. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quel que soit le niveau de richesse d'un homme, en lui seul, il ne peut assainir le cadre de vie de toute la collectivité. Mm. On se comprend bien. Mm. Donc, c'est pour ce faire que, à travers l'autorité de l'État ou de la collectivité, parce qu'il faut voir les choses à deux angles. L'État au niveau général, mais la collectivité. Et surtout quand vous prenez le cas, par exemple, du Niger, d'où on est dans un système de décentralisation euh, poussée, il y a certaines prérogatives que l'État a dévolues aux collectivités, ce qu'on appelle les communes. Donc, pour leur permettre, à leur niveau, d'aller dans ce mécanisme, en quelque sorte, de solidarité obligée, hein, entre, mm. <laughs> Mm. entre guillemets, à ce que chaque citoyen participe à sa manière, comme on dit, à la caisse commune, mm, pour permettre à cette collectivité ou à cette commune de faire face à ces préoccupations-là. Donc, c'est vraiment pour dire tout simplement que l'importance des taxes ou des impôts de façon générale, les citoyens doivent la percevoir comme un euh, une action de solidarité imposée par la vie en collectivité parce que chacun individuellement pris, quel que soit ses niveaux de richesse, mhm. ne peut en lui seul garantir l'essentiel de ses besoins. Je reviens vers vous, M. Euh, Ibrahim Abdoulaye, et dites-nous quelles sont les taxes qui sont les plus prélevées ici au Niger. Les taxes les plus prélevées au Niger, effectivement, nous avons effectivement plusieurs catégories d'impôts. Il y a les impôts sur les revenus et il y a les impôts indirects. Les, impôts, les impôts sur les revenus, voilà. Donc euh, là, vous avez par exemple l'impôt sur le bénéfice. Quand vous êtes une entreprise, vous réalisez des affaires. En fin d'année, vous dégagez un bénéfice. Mhm. Donc on vous demande de déposer des documents à la DGI par lequel effectivement vous dites ce que vous avez dégagé comme bénéfice. Voilà vos charges, voilà ce que vous avez mis dans votre entreprise, voilà votre chiffre d'affaires vous dégagez un bénéfice. Donc ce bénéfice-là est taxable. Ça, c'est l'impôt sur le bénéfice. Nous avons des impôts aussi sur le patrimoine, tels que l'impôt sur la taxe immobilière, par exemple, sur les maisons. Quand vous prenez une location ici au studio Kalangou, sûrement que je ne sais pas si c'est votre bâtiment ou pas, mm-hmm. vous avez une maison que vous louez. Vous êtes tenu de payer un impôt sur cette location-là. Le mm-hmm. propriétaire de la maison est tenu de payer un impôt. Mm-hmm. Voilà. Oui, justement, euh, une des exemples de ces taxes, la TVA, la taxe euh, sur la valeur ajoutée, qui est généralement euh, perçue chez les commerçants et autres sur les différents matériels et autres. Dites-nous qu'est-ce que c'est que la TVA exactement Voilà. La TVA, c'est taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect, mm. effectivement, que quand vous faites euh, vos des affaires, effectivement, quand vous partez dans un magasin, par exemple, acheter quelque chose, un produit, le commerçant, quand il vous vend, normalement, c'est un produit il doit vendre toute taxe comprise. Il y a de la TVA qui est à 19%. Ça, c'est le taux normal de la TVA. Le taux réduit, c'est un taux réduit pour certains produits de première nécessité qui sont à 5%. Donc, quand vous payez un produit, il y a de la TVA que le commerçant vous prélève. C'est vous l'acheteur qui le supportez. Ce n'est pas le commerçant. C'est l'acheteur qui supporte la TVA. Mais comme c'est un impôt indirect, on ne vous demande pas de le payer comme ça. Vous le payez dans le prix. Ça fait partie du prix. Lui, il, a sa marge bénéficiaire, mais il y a la TVA aussi. La TVA, il doit la reverser à l'État. Donc à ce niveau-là, nous avons justement des difficultés par rapport à la TVA. Oui, quelles sont ces difficultés Ces difficultés-là, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de particuliers qui, souvent, ils facturent la TVA, mais ils ne reversent pas à l'État. Mais est-ce que euh, cette TVA en elle-même constitue une taxe La TVA, c'est une taxe. c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Donc à chaque stade, il y a une taxe, il y a une TVA qui, intervient. Oh Donc effectivement, vous payez la TVA, c'est une taxe que vous devez payer. Dans chaque opération que vous faites, l'opération est taxable, comme on dit. Est-ce qu'elle est obligatoire, cette TVA Cette TVA, elle est obligatoire. C'est un impôt obligatoire, effectivement, que tout le monde doit payer. Parce que quand c'est inclus dans le, dans le prix du produit, vous, vous ne savez même pas que on va vous demander de payer ça, parce que vous allez payer un produit, toute taxe comprise. Ça veut dire y compris la TVA. Vous payez un produit au magasin, effectivement, c'est un prix TTC. Et là, vous payez la TVA que le commerçant, lui, c'est un collecteur. En fait, ça ne lui appartient pas. Lui, il est chargé de collecter et de reverser à l'État. Et donc, quels sont les différents taux de, prélèvement de cette TVA Les différents taux. La TVA, le taux normal, c'est 19%. 19%. 19%. le taux normal de la TVA. Il y a sur certains produits de première nécessité, il y a un taux réduit de 5%. Certains produits de première nécessité, ils sont à un taux réduit, effectivement. Mais sinon, le taux normal de la TVA, c'est 19%. Je reviens vers vous, Monsieur Moussoulmi. Vous êtes euh, le président de l'association pour euh, le civisme et la croissance euh, au Niger une association qui mène des actions de sensibilisation pour amener le peuple à connaître le bien fondé de la taxe afin qu'il puisse la payer. Donc, dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement sur cette question au niveau de votre association Merci pour euh, en tout cas euh, cette question pertinente parce que je pense que l'essence euh, par rapport à ce volet, parce que je dois simplement aussi rappeler que nous, dans la vision globale de notre structure sur le domaine du civisme, le civisme fiscal n'est qu'un volet qui en fait partie intégrante. Pourquoi le civisme fiscal intègre Parce que, nous l'avons dit tout à l'heure, pour affirmer la souveraineté d'une nation et d'un État, il faut obligatoirement que les citoyens prennent conscience que à travers leur richesse qu'ils produisent, c'est-à-dire les différentes activités dans lesquelles les gens évoluent, la richesse qui est créée et la contribution de chacun, c'est ça qui fait la grandeur d'une nation. Parce que quand vous regardez dans les budgets successifs, une parenthèse pour vous dire que la question de l'impôt est tellement citoyenne et nationale que c'est dévolu à l'Assemblée. Mhm. On dit seul le Parlement consent l'impôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un citoyen à qui un agent des impôts ou en tout cas un contributeur, comme on dit divers, vient se présenter pour dire de payer une taxe ou toute autre nature d'impôt qui n'est pas prévue du domaine de la loi, vous avez le droit de poursuivre ce monsieur ou de porter plainte. Donc c'est pour dire que l'importance de l'impôt, est des citoyens. Et pour que les gens comprennent que les citoyens, obligatoirement, il faut une forte sensibilisation pour permettre, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, solidarité obligée. C'est-à-dire que nous avons le devoir moral de contribuer à notre manière parce que les caractéristiques il faut quelqu'un qui crée de la richesse. Mhm. Quelqu'un qui n'a pas de revenus, on ne lui demande pas de payer de taxes, quelle que soit sa nature. On se comprend très bien. Mhm. Mais seulement, c'est encadré. Donc, c'est pour ça qu'on dit, ça relève de la loi. Mhm. Tout est le droit fiscal, c'est-à-dire qu'en matière de taxes et impôts, là, c'est la loi qui est là ça a été déterminé. On dit que, par exemple, comme vous avez parlé, par exemple, différents taxes, vous avez la taxe professionnelle, vous avez la taxe sur le marché, vous avez la taxe sur le bétail, vous avez la taxe sur les exportations. C'est-à-dire que c'est selon tous les secteurs que vous connaissez de la vie de la nation, dans chaque secteur, il y a des textes qui sont spécifiques au mhm. secteur. Mhm. Donc c'est pour dire que, en fait, ce n'est pas un schéma que quelqu'un peut, par exemple, dire qu'il a la prétention d'une maîtrise à 100%. Mais c'est selon les cas. On fait les études mhm. au cas par cas. Mhm. Donc, c'est des études sectorielles. Aujourd'hui, vous avez euh, les commerçants qui sont là. Ils ont des taxes ou des différentes catégories d'impôts qui sont spécifiques à leur activité. Mhm. Et si eux, ils doivent agir, c'est par rapport à leur activité et les taxes qui sont intégrées. Vous voyez bien. C'est pour dire que nous, c'est la sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est à deux niveaux permettez-moi de finir sur nous allons revenir sur, voilà, c'est à deux niveaux. Au niveau des contribuables et au niveau maintenant des agents des oui, nous allons revenir sur cette question de sensibilisation. Le temps de donner la parole à M. Chebou Chambiano, le président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à vous. Euh, bonsoir. Euh, je ne suis pas le président, je suis le secrétaire, général. secrétaire autant pour moi. Le secrétaire général. <laughs> ok, Monsieur Chambiano, euh, dites-nous au niveau des commerçants, quelles sont les taxes qui sont le plus prélevées Je vous remercie. Vous avez déjà fait la présentation. Mm-hmm. <laughs> Je remercie également le studio Kalangu qui nous a appelé pour que nous puissions venir édifier l'opinion nationale et internationale par rapport à ce que nous vivons. Mhm. C'est vrai, je n'ai pas pris eh, le début, mais tout à l'heure, j'ai vu la réaction. J'ai trouvé eh, l'agent des impôts et puis... Le, directeur général joint de la DGI. Le DGIA et eh, le défenseur des contribuables, mhm. si on peut l'appeler ainsi ou bien il est l'interface. Vous savez, au Niger, la particularité, en tout cas euh, au niveau des opérateurs ou au niveau même euh, du climat des affaires, euh, les gens ont toujours dit qu'il y a des difficultés au niveau des impôts. Mhm. C'est la fiscalité. Tout le monde pleure de la fiscalité. Et c'est vrai. Quand lui, il a dit tout à l'heure que ceux qui ne sont pas dans l'activité ne payent pas. Bon, il y a des gens qui sont en campagne, ils sont, euh, mais ils payent néanmoins. Pourquoi je dis c'est la fiscalité S'il n'y a pas la fiscalité, c'est vrai, l'État ne peut pas tourner, mais il faut le faire au prorata. Au prorata, c'est-à-dire Au prorata, c'est-à-dire selon la capacité euh, du contribuable. Si par exemple, moi, on peut m'imposer à payer 1 million par an, et euh, celui qui a l'habitude peut-être de payer 50 000 francs, si on lui demande de payer 2 millions, je pense que on l'a étranglé. Oui, justement, au niveau de, vous, les commerçants, quelle est la taxe qui est prélevée au Mais il y a plusieurs taxes. Mhm. Tout celui qui vient et qui veut investir, le plus souvent, il met une marche sur les opérateurs économiques. Quand vous prenez, il y a eu l'arrivée, euh, l'arrivée de Cotecna. Cotecna prélevait 1% sur la valeur des marchandises. Mhm. Et vous avez la TVA, comme il l'a dit. Peut-être sur les produits de première nécessité, tels que le sucre, le lait, et le, riz, la TVA est à 5%. Mais l'information ne circule pas au niveau même de l'administration. Parce que la dernière fois, j'ai vu eh, quelqu'un qui voudrait faire une livraison et on veut lui demander de payer 19%, on veut le prélever 19%, alors que lui, il ne savait pas qu'il y avait une circulaire qui dit de prélever 5%. Donc, il y a des difficultés. Il faut que l'administration publique même sensibilise eh, les gens. En dehors de. Il y a euh, le prélèvement du fonds de garantie qui est de 0,25%. Il y a également, euh, au niveau de la CDAO et de l'UOMA, e ils prélèvent 1% et 0,5%. Tout ça, c'est sur le dos euh, des opérateurs économiques. Quand vous voyez, il y a Sony, Sony Loga, il y a Bolloré qui est là. Tous ces gens sont en train de prélever des taxes. Est-ce mhm. que, comme il l'a dit, est-ce que toutes ces taxes-là, tous ces prélèvements-là sont contrôlés au niveau de l'Assemblée nationale. Mhm. C'est quelque chose euh, qu'on ne sait pas. Si euh, l'opérateur ignore, est-ce que l'Assemblée ne peut pas s'auto-saisir euh, Ça, on ne le sait pas également. Parce qu'on ne peut pas permettre à n'importe qui qui arrive de prélever de l'argent sur le dos des opérateurs. Et ce prélèvement-là aura une répercussion. Il n'y a pas seulement au niveau national, mais même au niveau transfrontalier. Et donc, en quoi elle aura une répercussion Elle aura une répercussion sur le consommateur. Une répercussion parce que l'opérateur qui a supporté tout cela, mais il ne va pas vendre euh, à perte. Tout ce qu'il a eu à dépenser, il va le faire répercuter sur le consommateur. Et c'est en ce moment qu'on va parler peut-être de surenchère ou de, de ceci ou de cela. Donc c'est pourquoi, comme il l'a dit, l'Assemblée doit veiller et que le service des impôts, la fiscalité, aussi doit revoir l'assiette. Parce qu'il ne euh, sert à rien euh, d'élever le taux si vous avez moins de euh, contribuables. Merci, Monsieur Chambiano. Je reviens vers vous, DGIA. Venez là d'entendre les quelques difficultés qu'ont soulevé le syndicat des commerçants importateurs et exportateurs. Il parle de sensibilisation en amont. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant cela Donc, effectivement, par rapport à la sensibilisation, effectivement, la DGI n'est est consciente et elle s'emploie à faire de la sensibilisation parce qu'effectivement, nous avons besoin de sensibiliser avec euh, l'appui de certaines associations comme l'association de M. Mousselmi. Effectivement, nous sommes dans cette démarche de sensibilisation-là. Mais encore une fois, je voudrais revenir que sur une question, sur la TVA par la exemple. TVA, oui. La TVA, le commerçant, on a dit que c'est un impôt indirect qui est supporté par le consommateur. Donc ça veut dire que ce n'est pas le commerçant qui le paye, c'est le consommateur qui le paye. Le commerçant n'est qu'un collecteur d'impôts qu'il doit collecter et reverser dans les caisses de l'État. Pour cela, il y a des déclarations qui sont faites. Des déclarations, il y a ceux qui sont au régime réel, comme on dit, qui font des déclarations mensuelles. Ceux qui sont au régime du réel simplifié, ils font des déclarations trimestrielles. Ces gens-là, normalement, quand vous faites chaque mois vos opérations, vous devez faire une déclaration. Les opérations taxables, là, autour de 19%, la TVA à 19%, ou bien ceux qui sont au taux réduit de 5%, tels que les produits de première nécessité qu'il vient de citer, vous spécifiez dans la déclaration. Et ce qui revient à l'État, vous devez reverser ça à l'État en effectivement faisant tout ce que vous, vous avez engagé comme euh, taxe que vous avez payé à la euh, TVA que vous avez payé à la douane, parce que vous payez de la TVA à la douane, donc vous déduisez ça. Mais le, la TVA nette à reverser à l'État, là, vous devez la reverser. C'est là que la DGI a des problèmes sur le reversement de la TVA. Parce que les opérateurs ne sont que des collecteurs. Et à cause de ça, effectivement, parce que quand on regarde un peu dans toute la sous-région, parce que la TVA, c'est l'impôt leader normalement dans tous les pays. Dans tous les pays, c'est la TVA qui doit marcher au maximum, c'est là qui doit fournir des recettes à l'État. Au Niger, ce n'est pas le cas. La TVA ne fournit pas suffisamment de recettes à l'État. Tout simplement parce que dans la chaîne, il y a un dysfonctionnement. Et donc, quelle est la taxe qui fournit euh, beaucoup pour l'État Comme vous dites que la TVA ne, ne, fournit pas suffisamment, ce qu'elle doit fournir. Ce qu'elle doit fournir, elle ne la fournit pas suffisamment. Maintenant, nous avons aujourd'hui, comme j'ai dit, l'impôt sur les sociétés. Mhm. L'impôt sur les sociétés, effectivement, il, verse beaucoup d'impôts l'impôt sur les sociétés. Mais la TVA doit être l'impôt leader. Et donc, euh, pour en venir, voilà. oui, pour en venir à, la question de l'importance euh, de la taxe Dites-nous quelle, importance la taxe a dans le budget national Dans le budget national, justement, la, taxe a une importance dans le budget. Parce qu'effectivement, le budget, quand on prend, on regarde, parce que ce qu'on on parle un peu du produit intérieur brut, le PIB, on dit le niveau de mobilisation des recettes par le taux de pression fiscale, qui est le rapport entre les recettes fiscales sur le produit intérieur brut. Si on prend de 2014 à 2016, en 2014, le Niger est à 15,5%, alors que la norme de l'UMOA, l'UMOA qui est notre organisation sous-régionale, elle, dit qu'il faut être effectivement à ce niveau-là, au moins à 20%. Nous, nous sommes à 15%. Et donc, qu'est-ce qui explique cet état de fait Cet état de fait, c'est parce qu'effectivement, nos opérateurs, nos contributeurs, ceux qui doivent effectivement verser l'impôt à l'État, effectivement, ne versent pas suffisamment l'impôt à l'État. Monsieur Chambiano, êtes-vous d'accord euh, Je suis pas <laughs> hmm. entièrement d'accord euh, parce que, quoi qu'on dise, au niveau de la fiscalité, la fiscalité, je dis, c'est ça qui empêche même souvent les investissements. Si la fiscalité est lourde, les gens ont des difficultés à investir. Vous pouvez ouvrir une société, au bout de trois ans, vous allez fermer. Il a dit la TVA seulement ne suffit pas, mais souvent ils font des redressements. Moi, ce que je, je constate, que souvent ils sont même méchants parce qu'ils taxent jusqu'à 300%, 400 000%. Ça là, eh, nous sommes entre nous. Ce que vous copiez de l'Europe, il ne faut pas venir l'imposer ici parce que nous ne pourrions pas. Aujourd'hui, si vous constatez, vous constaterez que les opérateurs d'avant ne sont plus là. Quelque part, il y a un mauvais encadrement eh, de la fiscalité. Et l'autre aspect, c'est qu'ils n'ont pas eu pitié de ces opérateurs économiques. Aujourd'hui, ils sont partis en faillite. Je vais vous dire quelque chose. Les impôts là, ils font beaucoup plus de recettes que la douane. Donc, c'est le redressement. Moi, à mon avis, ils font 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 7 milliards à des gens. Je pense que eh, c'est trop. Il faut qu'il y ait un apaisement pour qu'il y ait des affaires. Aujourd'hui, doing business est en train de guetter ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans un comité où il y a euh, le service des impôts également qui est là, qui souvent contribue pour qu'ils puissent avoir des allègements. Et quand vous prenez le cas de BIC et autres, là, souvent, on n'a pas de. Ils doivent nous rembourser. Mais souvent, le remboursement, on dit il faudrait que vous ayez un marché d'entreprise pour qu'il puisse y avoir de remboursement. Ces remboursements ne sont pas faits. On peut, on a même demandé souvent qu'il y ait même des compensations. Quand vous avez des factures impayées et que vous avez des impôts à payer, au niveau du trésor, qu'on puisse faire des compensations. Des compensations. Mais si c'est l'État, l'État n'attend pas. Si vous ne payez pas aussi, vous avez des difficultés. Tout de suite, ils viennent. Souvent, ça ternit l'image de l'opérateur. On dit fermé pour non-paiement d'impôts. Il faut changer peut-être de procédure, aller vers la sensibilisation, faire des encadrements. Vraiment, c'est quelque chose que les impôts doivent faire. Parce que jusqu'à présent, les gens ne savent pas pourquoi ils sont en train de payer des impôts. <laughs> Je reviens vers vous, Monsieur Mousselmi, sur la question de, la sensibilisation. Vous avez parlé de deux niveaux. Oui. Quels sont ces niveaux Je parlais de deux niveaux, mais avant d'arriver sur les deux niveaux, M. Chombiano, je précise hein, que je n'avais pas dit que, comme vous avez donné l'exemple de ceux qui sont en campagne, j'ai bel et bien dit que l'impôt, quelqu'un qui n'a pas de revenus ne paye pas d'impôt. Et pour qu'on ait des revenus, ça veut dire qu'on a fait une activité. Et en campagne, les gens font des activités parce que à la fin même de la campagne, par exemple, c'est sur la récolte que l'impôt est assis. Il y a une taxe qui est assise sur, sur la récolte. Donc, je précise bien que celui qui n'a pas de revenu quelconque ne paye pas d'impôt. Hmm, les taxes que les gens voilà. 1500 et autres, là, ça, c'est pas, pas une taxe Non, ça, vous savez, je parle d'impôt, j'ai dit impôt. Les taxes, c'est pour ça que, en fait, je trouve un peu insuffisant la problématique posée par le studio Kalango. Mhm. Parce que la notion de taxe, elle est trop élémentaire mhm. dans les questions d'impôt. Des impôts. Voilà il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut noter la précision mhm. pour l'avenir. Donc, si vous devrez poser la problématique de la question fiscale ou du civil fiscal au Niger, il faut parler des impôts et taxes. Les taxes de manière spécifique. C'est pour ça que dans mon introduction, j'avais dit que les taxes, c'est selon les secteurs. C'est selon les secteurs. Est-ce que tu vois mhm. Et que c'est à deux niveaux. Au niveau des communes, par exemple, la taxe de voirie, c'est les communes. la DG n'a rien à voir avec ça. Mhm. Les taxes sur le marché, c'est les communes. La DGI n'a rien à voir avec ça. Il y a beaucoup de taxes au niveau des taxes sur le marché. La mhm. DGI n'a rien à voir avec ça. On se comprend très bien. Mais quand on veut aller dans un sens général important, là, il faut où on veut l'implication et la responsabilité de la DGI. Là, il faut parler des impôts, des dans leur ensemble. Et mhm. c'est pour ça que je dis l'impôt relève de la loi. Mhm. Et c'est l'Assemblée qui vote l'impôt, qui concerne l'impôt. Maintenant, l'autre aspect, sur la sensibilisation. Je suis désolé, Monsieur Tiambiano. Moi, mon avantage, c'est que je suis un assistant fiscal pendant plus de 15 ans. Je côtoyais le monde des opérateurs économiques. Et je sais que la plupart sont de mauvaises voix. Ça, je vous le dis. Parce que je ne peux pas comprendre, dans une nation, un opérateur économique qui peut faire des chiffres d'affaires de 5 milliards jusqu'à 10 milliards et qui est incapable de prendre un comptable bien formé Aujourd'hui, vous prenez. Et moi, je vous le dis, j'ai assisté à beaucoup de contrôles fiscaux. Et je vous assure, au Niger, la DGI ou les agents des impôts, souvent, ils font beaucoup de complaisance. Il y a des cas où moi, en tant qu'assistant du contribuable, c'est moi qui dis aux responsables des impôts, est-ce que vous pensez ne pas avoir des problèmes dans le cadre de votre service Je vous le dis. Parce qu'il faut que les gens soient sérieux. Une activité, on est dans un monde moderne. Si vous décidez aujourd'hui de créer une entreprise, il y a des exigences, M. Tchembiano. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, les banques sont créées avec un capital de 2 milliards. Mais il faut voir le staff qu'ils ont. Aujourd'hui, dis-moi, l'entreprise la plus importante au Niger, en termes d'opérateurs économiques, vous partez, mais vous allez même vous poser des questions. C'est celui-là qui fait des milliards de chiffres d'affaires. C'est ça la question. Et parce que vous ne répondez pas aux exigences modernes, c'est tout à fait normal que il y a des choses sur lesquelles, lorsque les agents des impôts viennent dans le cadre du redressement, qu'on vous le relève. Parce que, je dis encore une fois, l'impôt est encadré par la loi. L'agent des impôts, lui, il lit le texte, voilà ce que la loi a dit et il applique. Maintenant, il y a ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, c'est notre réalité socioculturelle qui fait que moi, je suis un inspecteur des impôts. Je suis venu contrôler M. Kembiano. Je sais que, bon, M. Kembiano n'est pas instruit. Mais c'est Dieu qui a fait en sorte qu'à travers ses affaires, il l'a donné, comme on dit, le flair des affaires, il fait ses milliards de chiffres d'affaires. Et en quelque sorte, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, voilà, ici, il faut arranger mes demain. Voilà, il faut chercher au moins un comptable qui va mettre un peu de l'ordre. Il y a ces aspects-là. Maintenant, le deuxième niveau, pour les agents des impôts, je suis d'avis d'une chose par rapport à la sensibilisation. Et moi, j'ai toujours à le relever ça dans le cadre des assistances au contrôle fiscal. J'ai dit aux inspecteurs des impôts quand vous venez dans une entreprise, j'ai un opérateur économique. Si c'est par rapport à la première fois, au moins il faut faire des allégeances. Parce que la loi permet à l'inspecteur des impôts de vous redresser sur 4 ans d'exercice. Parce que le Niger, on est dans un système déclaratif. C'est important de le dire. C'est-à-dire que l'État a dit, je vous laisse avec votre âme et conscience de déclarer vos activités comme vous le pensez. Maintenant, si moi j'ai des activités de milliards, et que je pars chaque fois dire que moi je ne dépasse jamais 100 millions, et que l'État donne le droit à l'autre, que même 4 ans après, il peut fouiller dans mes archives pour savoir ce qui s'est passé, mais c'est normal quand il vient fouiller, avec tout ce que ça a étendu comme mes relations, et qu'après il découvre des choses. Mais s'il me dit de payer, voilà la réalité. Et c'est en ce temps que je vais me rendre compte que ces gens-là, ils sont méchants. Alors que, à mon âme et conscience, je sais que j'ai caché des choses. Et donc, M. Moussoumi, ah, pour revenir un peu sur la question des plaidoyers et sensibilisation que vous faites, est-ce que vous entreprenez des plaidoyers pour que l'argent prélevé par l'État soit bien utilisé Je donne l'exemple. C'est pour ça que nous, notre association, mm. on a eu l'ingénieuse idée mm. d'organiser la journée nationale du contribuable. Nous avons dit, nous avons approché le SNAI, le syndicat national des agents des impôts, parce que nous ne voudrions pas politique. Parce que sinon, autrement, on allait partir directement voir la direction générale des impôts. On est parti avec le SNAI, on a dit, il faut au moins une fois dans l'année créer les conditions de rapprochement entre les contribuables, les commerçants et tout ce que ça s'ensuit, et les agents des impôts, pour mettre en débat la problématique fiscale. Tout ce qu'il y a comme problème, tout ce qu'il y a comme difficulté. Parce qu'aujourd'hui, tous les taux là, même si M. Kiambuyano dit par exemple le taux de la TVA de 19%, alors qu'ils sont des collecteurs, il faut revoir ça. Mais la DGI, à travers la journée du contribuable, prend les avis des contribuables et de tout le monde et de tous les experts qui sont là. Et maintenant, comme eux, ce n'est pas leur droit, c'est l'Assemblée, ils soumettent. Et c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai dit au SNAI, cette journée doit se faire à la veille de la session budgétaire. Je reviendrai vers vous, monsieur Moussoumi. Pour permettre aux députés. Je reviendrai vers vous, monsieur Moussoumi, le temps de donner la parole à monsieur le DGIA. Merci, madame. Oui, qu'est-ce que. Euh, dites-nous, est-ce que euh, la collecte des différents impôts euh, par l'État permet à l'État de faire des réalisations significatives Oui, avant d'arriver à à cette question, je veux quand même répondre un peu à M. Kambiano, par rapport au, redressement L'homme musulman mhm. a fait un peu cas. Ah oui. Comme il l'a dit, l'impôt relève, effectivement, c'est très important du domaine de la loi. C'est loi, loi qui dit que nous sommes dans un système déclaratif. Le contribuable déclare ce qu'il veut. Ce qu'il veut, je précise. Hein. Il peut déclarer ce qu'il veut. Mais la loi nous donne aussi le droit, quatre ans après, d'aller vérifier ce qu'il a dit là. Est-ce que c'est juste, ou pas, juste ou pas oui. Et nous avons les moyens de contrôler, de faire des recoupements pour voir dans l'administration, à l'extérieur, partout, on peut voir qu'est-ce qu'il a fait comme affaire. Son chiffre d'affaires, nous pouvons le reconstituer. S'il ne le déclare pas, nous, nous avons les moyens de reconstituer ça. Et c'est ça qui fait qu'il dit que les redressements, c'est ça qui tue les entreprises. Ce n'est pas les redressements. C'est parce que justement, la citoyenneté des opérateurs, effectivement, il faudrait qu'il y ait des opérateurs plus citoyens. Quand je dis la TVA, par exemple, la TVA, j'ai dit que c'est vous et moi qui la payons, ce n'est pas l'opérateur. Quand il prend la TVA, il doit la reverser à l'État. Ce n'est pas pour lui. Et pourtant, nous avons constaté que ce reversement-là n'est pas fait. Donc, par rapport au redressement que nous faisons, les redressements, effectivement, nous les faisons par rapport à leurs déclarations. Ce qu'ils ont déclaré pendant quatre ans. Nous pouvons reprendre toutes les fiches de déclaration et les confronter avec nos enquêtes que nous avons eu à faire par rapport à leurs opérations et maintenant redresser la différence. Parce que s'ils ont déclaré 100 et que nous, nous avons trouvé qu'ils doivent déclarer 500, nous allons redresser les 400 qui manquent à l'État. Alors, monsieur le Donc ça, effectivement, j'insiste, la DGI va continuer à faire ces redressements-là. Ok, parlez-nous un peu des différentes réalisations euh, qui sont effectuées à travers les différents euh, impôts, les taxes qui sont prélevées par l'État nigérien. Oui, merci madame. Les impôts et taxes servent justement, effectivement, vont au budget de l'État. Je vous ai dit que l'impôt, c'est sans contrepartie. C'est-à-dire que vous n'attendez pas directement une contrepartie parce que vous avez payé un impôt, vous allez avoir telle chose. Non, c'est du lié dans le budget de l'État et maintenant l'État, selon son programme d'investissement, fait des investissements. L'État a plusieurs choses à faire. C'est l'État qui assure l'école, mhm. c'est l'État qui assure la santé, c'est l'État qui assure la défense. Parce que s'il n'y a pas de défense, il n'y a pas d'activité d'opérateur, il n'y a rien. Parce qu'il faut d'abord nous assurer la sécurité. C'est l'État qui assure cette sécurité-là. Tout ça, là, c'est avec les impôts, c'est pas autre chose. L'État n'a pas d'autre argent. Mhm. C'est avec les impôts de la DGI et de la douane. C'est ça les régies financières, ceux qui apportent de l'argent à l'État, ce que la douane verse et ce que la DGI verse au niveau du Trésor. C'est avec ça que l'État fait ses réalisations. S'il n'y a pas des impôts, l'État ne peut pas faire. Parce que les emprunts là, pour aller emprunter même chez les autres, il faut qu'abord que vous avez un certain niveau de mobilisation de recettes chez vous. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas avoir de l'aide si chez vous, vous nous arrivez. Parce que même mêmes c'est quoi C'est l'impôt de leurs citoyens, citoyens qu'ils nous donnent en aide. Mm-hmm. Pourquoi nous, chez nous, les gens refusent de payer il faut que les gens acceptent de payer aussi. Chez nous, nous sommes des citoyens. L'État leur assure beaucoup de choses. Par rapport à ça, il y a, effectivement, ils doivent payer les impôts que l'État leur réclame. Et en ce sens, je vais faire une petite digression parce que pour aller effectivement sur les redressements, notamment en matière de TVA, nous sommes dans une situation où on va faire beaucoup de contrôles de TVA. Nous allons faire beaucoup de contrôles de TVA hmm. chez les opérateurs. Et effectivement, nous avons, comme je l'ai dit, c'est l'impôt leader. Et nous avons le sentiment qu'au Niger, ça ne répond pas comme dans les autres pays de l'UOMOA. Dans tous les autres pays, on peut prendre les chiffres sont là. Nous allons voir que dans tous les autres pays, la TVA marche mieux chez eux qu'au Niger. Pourquoi ça Parce que chez nous, les gens retiennent la TVA, ils ne la reversent pas à l'État. Et ça, là, nous sommes dans une logique maintenant d'arrêter ça. Alors, M. Chambiano, vous avez écouté vos deux <laughs> prédécesseurs. Vraiment, je remercie encore le studio Klango. Ce que je voudrais dire, M. Moussolmi qui dit qu'il a accompagné, il était assistant des opérateurs économiques et qu'ils sont tombés dans des erreurs. Moi, je pense que vous faites une mauvaise assistance alors. Quelqu'un qui est là, euh, c'est valable pour le DGA, quelqu'un qui est là, qui importe une marchandise, qui mène des activités, il paye au niveau du cordon douanier, il paye, il paye tout ce qu'il y a comme taxe. Et vous, aujourd'hui, vous dites que vous avez les moyens de contrôler ces opérateurs. Pourquoi il faut aussi attendre quatre ans Et l'autre aspect, vous avez parlé euh, de la TVA dont vous dites que c'est seulement au Niger qu'on ne verse pas euh, suffisamment. suffisamment et euh, les gens gardent. Mais vous pouvez, vous pouvez les retenir. Il ne faut pas laisser jusqu'à. Non, c'est eux qui savent comment ils vont faire pour retirer leur TVA. Il ne faudrait pas qu'obligatoirement l'opérateur devienne votre collecteur. Mhm. vous pouvez procéder par tous les moyens pour voir comment vous allez prendre votre TVA. Mhm. Et maintenant, si l'opérateur ne verse pas, vous dites qu'il est de mauvaise foi je pense qu'entre collaborateurs, ça ne va pas se dire. Moi, je ne voudrais pas que le débat soit beaucoup élargi, parce qu'il y a certains trucs que je ne peux pas dire, parce que tout de suite, vous allez vous verser sur les opérateurs économiques. Et moi, si j'ai un truc là, vous allez me redresser. Vous dites que fouillez, M. Cambiano, qu'est-ce qu'il a comme taxe, qu'est-ce qu'il a comme ceci. Et demain, vous allez me dire, vous allez me redresser. Ça, c'est sûr. On ne peut pas vous parler. Avec la douane ou les impôts, il ne faut pas chercher à avoir des problèmes. Parce qu'ils ont les moyens de vous contrecarrer. C'est pourquoi nous, on a peur de faire des débats avec euh, les fiscalistes. Alors, pour finir, Monsieur Mousselmi, dites-nous, est-ce que vous pensez que réellement le prélèvement des différentes taxes contribue au développement du pays Ça, c'est une évidence, mm. parce qu'aucune nation ne peut développer sans les impôts et taxes. C'est pour ça, on quand vous prenez le budget de l'État, tous les budgets successifs, les impôts et taxes, les ressources internes représentent 60 à 75 les 35%, c'est les emprunts ou la dette extérieure. C'est tout. Maintenant, c'est quoi Je dis, c'est un mécanisme de compréhension. Mm-hmm. Ça, c'est des vérités. Nous avons, j'ai toujours dit, nous avons des réalités socioculturelles, mm-hmm. notre façon de faire. Parce qu'au Niger, tu, ne peux, tu peux ne pas aller à l'école et devenir milliardaire de, de par tes activités. Mais ce que j'ai dit, c'est l'encadrement. Et ce que je dis, et quand M. Tchambano veut dire que je suis un mauvais assistant, moi, c'est des cas que j'ai relevés. Et ces cas-là, c'est des faits. Moi, je ne discute pas sur les faits. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises où tu n'as pas de bons comptables. Ça, c'est des faits. Et je ne peux pas être le comptable de toutes ces entreprises-là. Et j'ai dit, moi, même si je suis un assistant à M. Tchambiano en tant que contribuable, je ne regarde pas ce que Tchambiano me donne. Je lui dis la vérité. Et il peut, je peux te citer tous des, commerçants, et faut qui est musulman en matière d'assistance. Mm. Moi, je ne, je ne contribue pas au faux. Je dis, monsieur Intel, par rapport à telle chose-là, alors je finis donc je pense que euh, hein, pour conclure hein, mhm. moi je dis c'est pour ça que nous avons créé la journée nationale du contribuable pour permettre un rapprochement social entre les commerçants, les opérateurs économiques et la DGI dans un langage ouvert. Poser la problématique. Poser la problématique. J'ai dit une seule fois dans l'année, on fait ce forum-là ils viennent, ils donnent leurs problèmes, la DGI donne leurs problèmes, mhm. et ensemble, on trouve un mécanisme. Maintenant, ce que j'ai dit aussi, pour être honnête avec moi-même, j'ai bel et bien dit, c'est vrai, la loi donne l'autorisation de fouiller d'un cas. Ça, c'est la loi. Mais vous voyez bien que dans certains cas, souvent les agents des impôts, ils ferment les yeux. Il y a des redressements où souvent l'inspecteur des impôts lui-même, il voit que il doit être redressé à 1 milliard ou 2 milliards. Mais il interroge sa conscience, est-ce qu'il faut le faire Et souvent, il dit, bon, il faut payer le minimum. Alors, je, je conclue. vraiment, oui, c'est un sujet. Oui, merci. Je conclus conclue avec vous, monsieur le DGIA, euh, pour finir. D'accord, merci. Euh, merci, madame. merci, euh, madame du studio Kalangou. Donc, je je disais tout à l'heure que nous appelons effectivement à la citoyenneté de nos opérateurs économiques. C'est très important parce qu'il faut faire des affaires. La DGI n'est pas là pour tuer les opérateurs économiques. Nous sommes là pour effectivement les accompagner. Voilà. Mais ce qu'ils doivent verser à l'État, il faut qu'ils la versent à l'État. Merci. Ce qu'ils versent à l'État. Donc je dis par rapport à la TVA, parce que je reviens, parce que c'est l'impôt leader qui ne nous donne pas satisfaction. Et la taxe immobilière, la taxe sur les maisons. Vous avez vu ce qu'il y a comme maison à Niamey Comment ça pousse à Niamey Est-ce que les gens payent les impôts par rapport à ces maisons hein. Non, non, on va profiter pour le dire parce que nous sommes en train de préparer. On est déjà à la fin de ce forum. Alors, euh, monsieur euh, Chambiano. Euh, moi, ce que je voudrais dire. Rapidement, oui. Oui, ce que je voudrais dire, monsieur le DGI, ce n'est c'est pas tout ce qui pousse qui est opérateur économique. Non, moi, ce que je voudrais dire, n'attendez pas. Monsieur juste quelques secondes. Je dis par rapport à ça. Sur la taxe immobilière, mhm. la TVA, parce que la taxe immobilière, tout le monde a vu comment Niamey a grandi. Mhm. Moi, je connais Niamey <laughs> pendant, il y a plus de 20 ou 30 ans, je suis à Niamey. Mhm. Je connais Niamey. Et je sais qu'en 20, 30 ans, comment Niamey a grandi. Quand vous regardez les impôts payés par rapport à la taxe immobilière, là, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la résultat. La TVA, c'est l'impôt leader dans tous les pays de moi je l'ai dit. Pratiquement partout. Au Niger, ça ne marche pas. Et la TVA, j'ai bien dit que ce n'est pas un impôt qui appartient que c'est les opérateurs qui doivent payer ça. C'est les citoyens. Quand tu vas acheter, je sais pas, un bic ou bien tu vas acheter une pommade, il y a de la TVA dessus. Cette TVA-là, il faudrait qu'il la reverse à l'État. Et l'État va se donner les moyens. Aujourd'hui, en tout cas, nous allons nous donner les moyens pour aller chercher ces impôts-là. C'est tout ce que je veux. Merci. Allez-y chercher vos impôts. Mais ce que je voudrais dire, euh, il ne faut pas attendre à l'angle, comme le policier. Au lieu d'être apparent, vous venez, vous attendez 4 ans, au lieu d'accompagner, au lieu de sensibiliser, au lieu d'encadrer les opérateurs, mhm. vous attendez pendant 4 ans pour qu'ils faute Vous-même, vous, n'êtes pas de, bonne foi. Non, si il ne faut pas attendre pendant 4 ans pour. pas, il ne faut pas attendre 4 ans pour. Et ah, deuxièmement, je, moi, je vous ai demandé par rapport au BIC. Je vous ai demandé par rapport au BIC. Vous... Non, j'arrive. Euh, chez vous, il n'y a pas de prescription. Ah, Avant, vous disiez. Donc, ce que euh, nous voudrions dire, vraiment, il faut mener de sensibilisation. Et puis, il ne mhm. faut pas mettre des griffes contre, contre les gens. Il faut faire amener les gens vers vous. Pour prendre l'argent de quelqu'un, il faut, il faut l'amadouer. Ce n'est pas le truc. On peut fermer et puis on vous laisse. Avec qui vous allez prendre euh, euh, les impôts. Donc, il faut avoir la bonne manière d'aller vers les gens. Quand vous humiliez quelqu'un en lui mettant payer fermé pour non-paiement d'impôts. Ça, c'est une humiliation. Ça ne se fait pas. Alors, chers invités, merci d'être venus, auditeurs et auditrices. C'est la fin de ce forum. Nous étions avec le directeur général adjoint de la Direction générale des impôts, Ibrahim Abdoulaye. Merci d'être venu. Merci également à Moussoulmi Malansita, président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance. Merci à vous. Et enfin, merci à M. Chegou Chambiano, secrétaire général du syndicat des commerçants importateurs et grossistes du Niger. Rendez-vous est pris demain à la même heure. Si là, portez-vous bien.